jërëgeen jëf mbokk yi ñu seetaan si Sokone TV seen émission carte sur table tey jii nii nag ñu ñëw seet ci kilifa gu mag si mim réew di Sénégal waaye cosaanam mu bokk si njafe-njafe gi buñ nee njafe-njafe gi nag mu nekk zone boo xam ne ëmb na ñeent fukki dëkk ak juróom wala ñeent fukki dëkk ak ñeent yoo xam ne ñu ngi si euh, côté Saloum tey ñu ñëw seet si ko mu nekk kilifa gu mag si mim Sénégal ñu bëgg koo laaj rek euh, monsieur Mbagnick Sarr Euh, boo nuyonteeg ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan si Sokone TV nga si tënk rek nga wax ñu yow yaay kan. Euh, merci Kayre encore une fois euh, maa ngi remercier ci invitation yi permettre ñu waxanteeg suñu mbokk yi ak suñu am di jàmm yi ak suñuy xarit man mii de. Eh, ma maa ngi tudd Mbagnick Sarr juddu Sokone bu Sokone ne à Sokone yaroo Mburum eh, samay waajur waa Sokone lañ eh, Mburum lañ cosaanoo waajur bu jigéen moom moom côté Ndiobo la la la jógee la famille Thior la Ndiobo alors école primaire bu Sokone laa jàngee Sokone garçon. dans une seconde gas xam euh, la faut foofu laa def entrée en sixième boo fa jógee ñu moo fuñuñ fuñuñ ma def fa benn année donc bon parce que dama fa un problème de logement en nga C'est une période où il n'y avait pas assez de collèges ni de lycées dans les zones c'est pas encore euh, développé donc le département va doon donner, et souvent d'ailleurs dans notre sax beaucoup d'élèves c'est une yàqu petit long parce que problème logement yi moom moo moo moo doon dal lu bëri day bon def na fa un an mois troisième mois dañu fa dénkaane le temps ñu lijjante sama transfert bu ma dem Kaolack alors bi ñu ko lijjante premier trimestre ma def ko Foundiougne premier trimestre cinquième ma def ko Foundiougne après dem yeggali ko Kaolack Gambetta bon fa laa amee DFM temps yooyu suñu temps la DFM commencé waat DFM. foofu euh, la amee c'est la première année que ko démarré je me souviens c'était euh, c'était pas très fameux les résultats n'étaient pas très fameux j'ai foofu dem lycée le lycée bi mu amee defee alors euh, def la série scientifique série scientifique madame, c'est la série C maths physique. Hmm. alors foofu la amee bac bi ma bac ma le concours de. le club polytechnique de Thiès, EPT. alors, euh, période boobu CE rek ak CIC ñoo ko def boobu yàlla def dans effectivement année boobu on était deux yu admis woon ci lycée bi dem Thiès yu jóge Gaston Berger temps Gaston Berger la tuddoon ñun ñaar mag seen ndey si yàlla si day yàlla yarum xëy fa jot ba dara jaay ñun deux classes de CIC bon mais suñ série suñ classe bi moo amoon ñaari at mi après ñu dem Thiès fa lañ def effectivement <laughs> Thiès temps yi école bi école militaire la woon léegi bon man xam nga rek affaire béykat ñu bu école école te yoon dañuy dem béy. ok donc on avait souvent ces contraintes là da ngay dem ci àll bi alors que concours bi génn élèves yi septembre normalement dañuy def formation militaire avant boobu man yëguma ci dara.

tu as formation initiale du ministère militaire après école en octobre nous rejoignons euh, le campus universitaire de Thiès alors d'être fait cinq ans alors l'école euh, mais quand même c'était un peu mouvementé parce qu'il y a eu des grèves nous sommes tous une promotion d'ailleurs en 84 <laughs> euh, il y avait une grève avec le colonel Sidibé Ndiaye mais nous, tëj école bi hmm? répartit tous les étudiants entre les différents camps militaires ñu ñu te ñu un mois de prison dans les camps militaires différents camps militaires man ñu mooy bon parole avec cinq autres camarades <laughs> ñu tax ñu. xanaa da nga bokkoon si. non non non toute l'école. c'était ah. toute la colonie hein? you bah, c'était un mouvement global comme l'école n'y avait pas beaucoup de dégâts. Hmm. oui oui il mais amul parce que n'y a pas de cours il n'y a pas de cours hmm. bon ils nous ont mis en demeure pour nous les gens n'ont pas rejoint des classes Ils nous hmm. alors nous n'avons pas pendant un mois mais très dur hein. kon nag un mois dans le truc d'ailleurs jour tam xarit d'ailleurs <laughs> jour tam jour tam xarit dañu dugal ci kii bi yóbbu à Bango ah, xam nga à Podor. c'est ça. Euh, ñu je me souviens bien avec suñu njaay euh, yi kii soldats yi. guddi boobu ñu di ñu may cere ci. <laughs> surtout ab saareen bu <laughs> cere. ñu di ñu may cere ci prison bi noonu la ah cere cere tam xarit. c'est ça je te jure non mais c'était quand même c'est un bon souvenir. waaw euh. alors mais je te dis bu ñu fa jógee. Mhm. wax kenn waxul kenn dara le mhm. lendemain dañuy sangoo xëy jàng <laughs> parce que les gens étaient fatigués imagine-toi si tu te couches sur le avec le sol. Hmm? oui non surtout que les gosses les plus jeunes qui étaient ñi doon def troisième année ñun ñu doon en quatrième année ak cinquième année moo ñu defoo on était les grands hmm. mais les jeunes là qui lañ jamais dans les camps militaires là mais quand ils sont pendant un mois biñ c'est après fini hmm. on reprend les cours qu'elle qu'on kenn dara décrété fait fin décrété dara le lendemain lañ dem et puis depuis là c'est fini alors donc euh, avec ça on a fait l'école militaire et comme c'est une promotion nous avons fait woon affaire bi hmm. ñu def ñu punition nous examen officier de réserve avant donc, on a fait deux fois, notre profession, on a fait deux fois Bango, contrairement aux autres. Donc, examen d'officier de réserve, nous connaissons encore à, à 5 Donc, voilà donc le parcours truc académique. Mm-hmm. Bon, une fois que après tu obtiens le diplôme de conception en génie. Puis, il y a le génie, moi. le génie mécanique industriel et le génie civil. Mm-hmm. Bon, moi, j'ai opté pour le génie mécanique industriel. Bon, génie civil, moi, mon école a fait le bâtiment, route et chaussées et quelque chose comme ça bon, génie mécanique, tout ce qui est industriel, tout ce qui est industrie, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est électricité, thermodynamique et autres là. C'est très vaste. Mm-hmm. Alors donc, après la sortie, bon, mon premier poste c'est Sokol. Sokol. La semaine l'usine de la carte de Sokol. Toujours ingénieur. En 86, on est sorti euh, en, juillet, quatre juillet 85. Euh, Madame Tabaski, par hasard rek ah, euh, ñu ñu ne ma euh, le poste de de directeur technique de l'usine est vacant parce que euh, li yàlla def le directeur technique ki ko ki ñu ko waroon démarrer dafa def accident de circulation. oh oh c'est triste mm. bon donc ma rek après ñu ñu boole maa waaj yi finalement je suis pas retourné à Dakar parce que dama ñëwoon tabaski noonu laa ko démarré on a démarré euh, surveillance, euh, société euh, <coughs> d'exploitation des noix d'anacarde du Sénégal. Bon, euh, c'est une société agricole, euh, agroalimentaire. Alors, et ça a démarré avec le projet PASA. PASA, Voilà, c'était le reboisement là, financé par les Allemands. Alors, des arbres fruitiers anacardes. dans des sociétés comme ça, si tu n'as pas les règles solides financièrement, hein, vous risquez de tomber. Ok. Ou bien si vous n'avez pas discipliné de ça. Alors, le problème la langue, voilà donc loolu moo nekkoon Solenas. Mhm. pour résumer que la monde se Solenas après ma de fa je suis pas d'accord. Mhm. pour changer d'activité encore. parce que je suis droits de l'agroalimentaire, mais je suis tombé dans une société de transformation de produits, de, de polypropylène en sacs. Mhm. Sac, les sacs de, de, de là, et d'arachide. C'est-à-dire que c'est des, granules comme les granules euh, plastique, c'est des plastiques, que nous fusionnons, chauffer, nous fondre, on le transforme en fil, et ces fils, on les tisse sur des métiers à tisser, pour faire des sacs. Alors, il euh, y avait, c'était un groupe qui était à Dakar et à, à qui avait deux unités. Euh, donc, dans ces deux unités-là, il y avait deux ingénieurs polytechniciens, Ben et tout mon moo Dakar ma rejoint, il de c'est un an après bon mm-hmm. un an après mm-hmm. il est parti au mm-hmm. il est parti au lycée après ma ma donc je les deux minutes. alors Falan euh, aussi quelque chose. Euh, un ingénieur expérimenté pour remplacer le, celui qui devait s'occuper du projet, le, projet de Four 3. Euh, alors, ils avaient un nouveau projet, l'extension l'ingénieur qu'ils devaient faire. Donc, ils voulaient qu'un euh, un ingénieur expérimenté pour diriger le service, ce qu'ils appellent le service fonctionnel. Le service fonctionnel, c'est le service qui fait la préparation des, comment encore, de la maintenance, la coordination des travaux, et qui faisait la programmation des différents travaux. Euh, d'intervention au niveau de, ce fossile, Donc j'avais ce poste-là. Malheureusement, je n'ai pas trop duré là-bas, j'ai fait que six mois parce que euh, il y avait des difficultés avec le, directeur de l'usine et celui qui m'a recruté. Donc j'ai fait six mois et il m'a dit, bon, vraiment, il y a une quoi ñaari kuy dal mu ñëw bokk mbal. voilà c'est comme ça que vous l'avez dit d'ailleurs. ok texte texte c'est les mots que vous avez utilisés. bon j'ai dit qu'à cela ne tu vois euh, et, dit bon xam et ça c'est très grave hein. je vais te coller un motif. Hmm? ouais, oui il m'a collé un motif mais mais bon ñu dem tribunal bon je l'ai gagné eh. mais bi bi ñu bi ma koy gagné fekk parce que dama ko jógee rek après je suis parti à à Europe Africaine ici hmm. L'Europe ici c'est montage industriel. Et ça. On fait la fabrication de, encore, métallique, construction métallique, la grande construction, la ce qu'on appelle la chevelure lourde. Après, après, on fait les montages d'usine. Alors, euh, de, là-bas, on m'a convoqué à l'inspection pour une réconciliation. J'ai dit non, je ne veux plus parce que je déjà occupé. Euh, j'ai dit à l'inspecteur, on laisse le dossier aller au tribunal. Nous dit au tribunal, bon, mon avocat m'a dit, bon, ne t'occupe pas de ça, va travailler, et puis me laisse le dossier. Mais alors, mais au Sénégal, les, les, jugements sont lents. Hum, hum, hum, alors, donc, j'ai fait deux ans, euh, deux ans à, à du Sénégal de la période 96 à 2000. Euh, ça je peux le confirmer. Hein, par exemple, dans le port, là, ce qu'on a réalisé comme projet, chantier dans le port, le port, le 8 du port autonome de Dakar, avec Shell, euh, euh, Total. Total, par exemple, on lui a fait une sphère, ici en bas, bah, c'est la première sphère construite par des Sénégalais, qui, est en bas, la, sphère de 4000 m3. de les budgets. tu vois hein? Euh, euh. Tu vois C'est pourtant, vraiment, euh. ils ont dit, mais, mais ils ont, la seule condition qu'ils avaient posée à l'africaine, mm-hmm. il faut un ingénieur pour superviser les travaux. Sinon, on ne on, pas que, que le simple mettre. Parce que souvent, les gens contre avec les ont changé, quoi. Okay. Bon, l'Africain dit oui, bon, oui, on a un ingénieur qui peut, bien faire ça. Il y a des qui, est-ce qu'on peut le savoir Il y a des ah, il n'y a pas de problème. on connaît bien, on connaît ses compétences, il n'y a aucun problème. Bon, donc, euh, ils, il étaient ravis de vous revoir. Bon, mais installé l'aide. là juste, puis, juste terminé, mhm. la bourse de l'ONU, mhm. l'Organisation nationale pour le développement industriel, en partenariat avec le le gouvernement du Sénégal et le secteur privé mieux organisé ou une structure parce que euh, ils ont constaté que dans les autres pays, mmh. surtout dans, en Europe, le système de la sous-traitance est très développé. C'est-à-dire qu'autour des grandes unités industrielles, il y a tout un, tout, ensemble de PME, e PMI, de mmh. PME, qui font la prestation. Ça, c'est dans quel but C'est de concentrer l'entreprise la, si son code de métier, la production. Par exemple, quand je prends l'exemple des ICS, ICS, sa fonction n'est pas de faire de la maintenance mm. de ces installations, mais c'est de produire de l'acide. Et soit, cela cause, sa fonction n'est pas de, de, faire de la maintenance des, des unités industrielles, mm-hmm. mais c'est de produire de l'huile. Mm-hmm. Au lieu de, faire des dépenses énormes sur, la maintenance, hein, et ce, qui fait pour des, avec des ouvriers à l'âme fini, qui vont. Parce qu'en réalité, quand, quand vous regardez, vous maintenance du mm-hmm. vous, vous production mm-hmm. la maintenance est à l'arrêt. Mm-hmm. ça ne peut pas aller de faire. Parce que pour maintenir, il faut arrêter les N'est-ce pas Pour faire l'entretien des machines, il faut arrêter les Ça veut dire que tout le temps que l'usine fonctionne, les hommes de maintenant n'ont pas grand chose à faire. on mhm. a préparé, encadrer. Encadrer oui. Donc si tu es en train d'oublier qu'ils sont là-bas, ils sont là-bas comme euh, un stock mort. Et, et, toi, ah, et ce que le a, a, dit, au lieu d'immobiliser, investir sur du matériel que tu ne vas pas utiliser tout le temps, autant vous concentrer sur la production, optimiser la production et laisser à des spécialistes hein, faire la prestation, euh, la, la prestation de maintenance. Eux, ils pourront travailler pour A, ABCX. Mm X. Mhm. Ce qui fait qu'ils pourront leur, leur, leur, leur, matériel, au lieu d'avoir euh, s'équiper lourdement et ne pas l'utiliser tout le temps. C'est une théorie qui est extrêmement développée en Europe et, malheureusement, nos pays-là ne le comprennent pas encore. Ils, ils, ont plein d'ouvriers euh, maintenant qui sont, pas, qui sont tous utilisés ou bien vous vous équipez en, matériel de maintenance que vous n'utilisez pas tout le temps. Hmm. Donc, le c'est cette théorie-là que ça a développé, c'est ce qu'ils appellent le outsourcing. Alors, donc, euh, ça a été créé au Sénégal en 2000. Ils ont ouvert le, premier bureau en 2000, euh, ils ont ouvert les tests de concours et j'étais pour recruter deux ingénieurs, un ingénieur industriel et un ingénieur euh, financier un ingénieur financier, mon ami il dit c'est Nous étions deux donc à, réussir ce concours-là. Lui, il s'occupait du, département partenariat et moi, je m'occupais du département sous-traitance. J'ai fait deux ans là-bas. Alors, euh, au bout de ces deux ans, euh, comme on disait l'officier africain, j'avais monté une usine, <laughs> une usine de traitement des déchets, des, des Les slams, c'est les résidus de phosphate. Hmm. Alors qu'il fallait revaloriser pour. De, de, la bourse aux m'a appelé pour me dire Oui, mais monsieur ça, vous avez. C'est vous qui avez réalisé les sommes euh, bon, donc, il faut venir vous en occuper. C'est comme ça qu'ils m'ont invité. <laughs> oui. Donc, donc, je suis parti aux ICS. C'est ça, c'était en 2002. Donc, la bourse de soutenance, c'est en 2000. En 2002, je suis parti au ICS. Au ICS pour m'occuper de, de, cet atelier. Mhm. Et, parallèlement aussi, ils m'ont donné d'autres structures, euh, telles que les convoyeurs et tout ça. ça c'était alors euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan si Sokone TV euh, ñu leen di fàttali ne kii ngeen di seetaan Mbagnick Sarr la tudd nekk ingénieur industriel mu nekk koo xam ne aussi euh, yàgg na si Sénégal di jàpp bu baax a baax si lépp loo xam ne si wàllu kër yi nga xam ne moom mooy usines yi nekk si biir Sénégal yëpp dégg ngeen fi mu jaar même bu nekkee ne. ci kàllaama tubaab moo ëpp li muy wax waaye nag carte sur table euh, concept bi c'est en langue wolof euh, du ñàkk mu am yeneen yu mu gën a leeral euh, monsieur Sarr ñu ñëw si li nga xam ne moom moo nekk setup loo xam ne yow yaa ko moom sa bopp après fi nga jaar yëpp expérience bi tey nga yore la nga xam ne kër ga nga xam ne tey jii nii Sénégal yëpp mun na see jëriñu bu baax a baax lan mooy setup ak ku si bëgg a bokk wala ku mu bëgg liggéeyat fan la jaar alors donc bien fait, tout le parcours professionnel là euh, vraiment euh, je, me suis dit c'est pas normal ma top top, mhm. surtout que j'ai encore la santé et la force de bouger. Mhm. Manet, n'a créé une structure euh, bu tudd setup setup moi moi Sénégalais sénégalaise études et application technique industrielles. c' en c' est une entreprise buy def ay étude maanaam étude mooy lan yow am nga idée bëgg nga réaliser dara mais pour nga réaliser ko foog nga gëstu ko. gëstu ko waaw gëstu. voilà muy gëstu. Mm-hmm. gëstu li nga bëgg a def. Mm-hmm. noo koy defee yan amal nga koy defee ak noo koy awal fooy aw pour samp ko. et mm-hmm. ensuite mun ko doxal. loolu mooy étude alors donc. ku am projet pour def étude pour def pour réaliser ko boobu ñëwee mën nañ la ko étudier hmm. alors étude et réalisation maanaam maanaam dañ la ko étudier ba defar ko defar alors euh, bon maintenant ko muy wal technique hmm. alors li mu ëmb nag bëri na li mu ëmb bëri na parce que par exemple mu ngi jëmmal par exemple ñu ñu xalaatal la nga samp usine hmm. yow par exemple boo amoon xaalis bu nga samp usine usine donc c'est presque samp mhm. ko foog nga am foo ko jaar foog nga étudier ko d' abord xool na foo koy sampé est ce que usine bi yenu na maala wala yenuwul maala mhm. ñu étudier la loolu wutal la fi nga koy samp fi nga koy samp c'est am na solo lool pour loolu parce que fi nga koy samp war nga gëstu ndax euh, matière yi produit yi ngay transformé am na ko mhm. ndax milieu bi am na énergie am na accès am na personnel loolu yëpp ci lay bokk. lépp ci études yi la bokk dana la ko étudier usine donc demal sàmm ko. di nga xool ndax am nga matière am nga yoon yu fay mën a ñëw pour nga yóbbu sa parce que sa mënoo liggéey matière te amoo yoon yoo ko yóbbu. Mhm. industrie boo déggee industrie day fekk d' abord mu am ay yoon. Mhm. et d' ailleurs loolu moo taxoon de quand tu rejoins le projet de Macky Sall. Mhm. loolu loolu loolu loolu li tax ñu mu ne la première phase c' est les infrastructures. maanaam infrastructure maanaam yoon yi. Mm. léegi nag def na yoon yi Sénégal daanaka def na yoon yi léegi mu ngi jublu maintenant deuxième phase mooy industrie. industrie ci lañ toll actuellement Sénégal donc loolu mooy industrie donc industrie boo ko bëggee am aussi foog nga xool ndax am nga yoon boo fa boo fa jëmee. Mm-hmm. soo amul yoon boo ko fa créé amul njëriñ ay problème la ngay am <laughs> et parce que doo ko mën a yegg wala pour nga say oto dañuy yàqu sama xel di yàqu sa produit di nëb. Mm-hmm. loolu moo tax d'ailleurs boo produit yi dañuy yegg dañuy ci àll bi. Hmm. ndax yo wàllu yoon amul fa. amul yoon. Hmm. amul yoon pour transporter matière les matières. wala camions yi oto yeeg yooyu ainsi de suite jël ko indi ko fi ñu ko mën a transformer. Hmm. donc loolu dañ koy seet booy samp usine. personnel bi aussi dañ koy seet. et courant aussi ndax ku énergie. pour ne pas dire rek parce que énergie yaatu ëpp na du courant rek. et soit ndax disponible na aussi loolu lépp bu la ko seetalee nee nag yan type de machine moo ko mën a def. dinañ la xoolal yan machine ak yan capacité en fonction yow li nga bëgg a def. Mhm. yow da nga ne am naa un budget de un milliard par exemple ñu ne ah un milliard bi ci ngay defee terrain yi ci ngay defee bâtiment yi ci ngay defee jëndee machine alors donc loolu ci un milliard bu fekk ne ci loolu rek nga matériel yi donc ci lañu xool nag xool machine yi yan capacité la lañu mën a jënd lañu atan pour que ñu yoo ne ah boo bëggee produire mille tonnes de de de de produit fini par an Euh, ou bien sa projet bii ngay def mhm. impact yi muy def ci ci gàncax yi ak ci nit ñi mhm. est-ce am na jaaxital ci nit wala ci ci gàncax gàncax yi loolu di nga ko seet tu vois boo ko saytoo ba pare ci ngay ndoog ne léegi on se lance mais loolu yëpp ci kayit lañ koy xool d'abord mhm. boo ko xoolee rek ci kayit ba pare loolu mooy étude pour étude projet bi buñ ko buñ ko réaliser après maintenant nga doog a ci financement bi nga financé ñu implanté la réalisé la ba pare testé ko mise en route évidemment le formation personnelle bi aussi da ci àndaale. kon daal industrie boo ñëwee moom étude bi bu ñu la ko defee daanaka daal dañ koy euh, tënk si kayit ba pare nga soog naka. projet bu nek dañ ko war a tënk si kayit d'abord. bañul so bañul soo sinon tu vas à l'aveuglette. Hmm. moom mooy nekk sa sa feuille de route. ok et ça étude boobu. Hmm. mooy nek sa feuille de route parce que tableau de bord lay parce que boko amul rek da ngay seigneur tëjëf di dem te usine kenn du ko dawale noonu usine da nga war a xam lii lépp lu ma dugal. lu ma lu ma ci xaar. Hmm. et toi loolu mooy usine donc loolu dañ koy dañ koy def loolu mooy la partie étude de projet. Hmm. ensuite maintenance dañuy def la maintenance industrielle. Hmm. Euh, par exemple dañu gis ku am machine ay machine yu paan wala ay machine yoo xam ne ni ñu liggéey normalul bon boo boo ñu wooyee mën nañ la ko étudier aussi xoolal la ko bien eh, defal la intervention. bon loolu dañ koy def dañuy def aussi euh, comme encore euh, assainissement hmm. évacuation d'eau tu euh, bon ensuite revêtement bon le revêtement nag moom c'est un surtout euh, loolu. ah mais mais mais monsieur Sarr bi moom ñu ñëw si tuuti. parce que euh, tey si Sénégal moom yaakaar naa ne ñun surtout fa ñu dëkkee côté Kër Massar ak feneen ak feneen ak feneen. jafe-jafe ñu ngi am gars bëri ñu ngi wax ne problème assainissement la est-ce que ñoom euh, li ñuy wax problème assainissement la wala nit ñi ñoom ñoo dëkk fi nga xam ne foofu la ndox mi nekk.

mais ça c'est la faute à l'État hein moi je dis que c'est la faute à l'État normalement Yoy moo dit tout le monde avant ngay tabax le réseau d'assainissement beaucoup ko mhm. c'est-à-dire que quand tu fais bon de terrassement bi mhm. maanaam avec terrain bi mhm. da nga war a orientation euh, les bas-fonds c'est-à-dire que niveau yi yi gën pour que mun a orienter les l'écoulement de l'endormi, mi ni circuler nga drainer ndox yi côté Yoy maintenant ce fekkee qu'il faut faut évacuer hmm. il faut trouver ce qu'on appelle les bassins comme les ñu les def les li actuellement li ñuy def actuellement hmm. xam nga avant même de réaliser hmm. mais Sénégal faut faire un espace dès que vous a tabax alors qu'il y a des espaces non habitables c'est ce qu'ils appellent non édi non édificandi c'est-à-dire que kenn waru fa dëkk dañ ko fara war bàyyi pour muy téye ndox C'est ndox yooyu dafa am njëriñ parce que moom mooy revitaliser

mais loolu bi ko def foog foo gis fii actuellement mu doon mare gars yi dañ koy sëkk. Hmm. bugg fa dëkk mais c'est pas possible l'eau va revenir bu ko mënoon dëkk bu ko mënoon ñëw dañ dafay uti yow beneen yoon finalement ci biir kër yi lay des wala ci mbedd mi donc loolu mooy problème bi assainissement donc c'est c'est c'est compliqué c'est pas compliqué soo respecter les règles et ça par exemple euh, il faut respecter la pente ah. Euh, euh, minimum de 1 à 2% de pente régulière beaucoup respecté donc vous respecté ndox pas circuler mais par exemple aujourd'hui par exemple euh, Dakar c'est pratiquement une zone argileuse une argile agile presque. Mhm. c'est-à-dire suuf si du suuf du naan ndox yu Ils ëpp yëpp zone yu soucis du ça veut dire quoi ça veut dire que ndox oui, donc des affaires, des circuler rek. et partout béton en ne béton en ko. Mhm. alors si vous bétonné fan la ndox bi jëm.

c'est le drame malheureusement <laughs> Donc, il y sorte ci bassin qui ci ci ci géej wala ci cause par exemple le <laughs> lieu perte ndox la sorte parce que c'est de l'eau donc la boîte normalement suñ ko doon stocké dans des bassins on mhm. nañ ko mën a réutiliser ah bon pour arrosage bien sûr tu vois il suffit de le traiter les traitements vous yem bu simple la mhm. traiter ko utiliser comme comme mhm. les vergers ok donc, et d'ailleurs, même, il y a même des, unités qui le transforment en eau potable. Hmm? Oui. Mais est-ce que l'eau lourd pour euh, Si, mais c'est aussi celle que l'eau douce. Parce que l'eau est traitée. Ok. Donc, l'eau ne se perd pas. L'eau ne se perd pas. y de Yoko buñu koy yàq malheureusement loolu mooy jàll Sénégal euh, ndox mi duñ ko traité deuxièmement nit ñi dëkk nañ fi ndox mi waroon nekk ba pare di jooy assainissement day jooy kii <laughs> inondation inondation mais mënut a ñàkk foog inondation am d' accord alors monsieur Sarr euh, tey euh, communes yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan wala yeneen dëkk yi nga xam ne sax ñu ngi feneen di lay seetaan te ñu am problème assainissement est ce que c' est possible pour CETAP déplacer wu ñëw bien sûr bu ñu si on bu ñu consulter on est prêt bu ñu consulter on est prêt à apporter nos concours bu ñu consulter on est prêt parce que euh, parce que xam nga loo jàngul mënoo ko tari mm-hmm. c'est-à-dire que le problème lii gën a yokk aussi problème assainissement yi dans les quartiers mooy ku ci nekk da nga ko bëgg a régler sa bopp ku ci nekk bëgg ko régler sa bopp boppam mm-hmm. bi cest tant que ñu ngi koy def aussi

ba pare discipline nit ñu bañ ko sëkk. parce que loolu aussi bokk na ci da ngay gis que ni way di ci sotti mbalit. mais est-ce que nekkul ñàkk a xam la. non ak ak ak discipline aussi bokk na mu ngi ci mais discipline bokk na ci par exemple moi j'ai vu naan gis naa daaw euh, ligue bi gars yi def Kër Massar gars yi def ci ay briques. Mhm. ah. Mhm. mais xam nga loolu du ñàkk a xam sabotage. ah voilà loolu xam nga loolu du brique dem def ci ay brique xam nga kooku kooku day saxu de tu vois donc loo loolu aussi lu lu lu tudd la ou bien koo xam ne borom xaalis bu amoo kii rek ndox mi buntu këram la doon aw mu ñu indi ay camion remblayé ko fàtt ko ndox mi uti uti beneen yoon là-bas tu crées plus de mal <laughs> parce que foofu nekkutoo yi awukaay yoon ndox mi nga obligé ko mu jaar yoon léegi kër jàmbur yi lay dugg. Mhm. voilà le fond problème. Mais là, il faut un état fort il faut un état fort pour que les gens venus de faire le plan d'assainissement ne respectent. c'est vrai il y a le niveau de conscience qui est là parce que vous comme on même quand tu vas dans les quartiers si tous les quartiers populaires vous ne dormez pas, mi commencez rek vous vider ça loolu Il y a ngi ci mais je pense y a a la parce que je pense que Puisqu'on xamul que nous danger c'est un problème de santé publique oui parce que mun na épidémie Oui. D'accord. Euh, monsieur Sarr SETAP euh, moom si Sénégal rek la commencé am un partenaire wala le na Sénégal. bon SETAP on est on est ouvert à à toute l'Afrique, même en Europe on est ouvert parce que par exemple moi j'ai des j'ai des partenaires qui il suffit de dire que je ak eh, beaucoup d'entreprises qui ont travaillé avec moi bi en activité qui ont été par exemple des Marocains y a y a y a y a Krim Krim Maroc Il y a des filles, on s'est rencontrés. bon donc euh, ce qu'ils proposent bon mais ñoom c'est des grands projets seulement. parce que les entreprises internationales. Euh, ay grand projet projets, la ñu def pour que ñu partenariat euh, une entreprise locale pour nous soumissionner sur un grand marché bon mais sinon si c'est localement on est seul tu vois on est seul mais pour des grands projets entreprise internationale vous voyez nous, bon effectivement on a des contacts tu vois. ok alors euh, tey Sénégal nous avons ngi wax ne si yi capitale ville la concentré aussi là kilifa gu ñëw rek président bu ñëw fii nga koy def euh, duñ ko décentraliser yóbbu ko si yeneen département yeeg yooyu yooyu est-ce que c'est possible pour que euh, usines yi nekk fii Sénégal ñu nekk fii si biir Dakar ñu jël leen yóbbu leen si yeneen région yi pour ñu mun fa nekk aussi. Euh, wala yóbbu leen bon. maanaam décentraliser. jël décentraliser mënut a ñàkk. waaw day moo war a nekk. Mhm. moo war a nekk maintenant toutes les usines ne sont pas transparentes. c'est-à-dire éducation yëpp lañ mën a mën a yóbbu ci réunion yi xam nga sànq dellu des fois nee naa la. waaw euh, booy nga xool est-ce bi moo war a transformer mu ngi ko. ah euh, par exemple boo boo boo yóbboo usine buy defar euh, comme encore c'est pas moi ciment si je prends l'exemple du ciment. Mhm. comme Sococim ak yooyu. Mhm. nga dem implanté ko foo ne amul calcaire. tu vois. c'est les hmm. hein? coûts de production inutiles parce que comme calcaire vous transporter coûts supplémentaires de production donc rentabilité baisse rentabilité. tu vois donc mais mais si on emploi dina n'a a les jeunes mais non mais mais mais un encore homme d'affaires n'est pas un philanthrope. Euh. <laughs> c'est-à-dire homme d'affaires bénéfice là où homme d'affaires. Hum. de un projet. Hum. bénéfice moi, tax nga créer projet. parce que d'ailleurs, beaucoup... beaucoup beaucoup boo un bénéfice de recruter personnel. Hum. tu vois ce que je veux dire. une entreprise qui travaille à perte de jël personnel. pour nga mën a jël personnel il faut ngay def bénéfice. et tu donc beaucoup de créer foo xam ne avons am bénéfice donc mën a jël personnel wala après da ngay licencier c'est ça le problème donc mais par exemple, euh, ce qu'ils avaient fait, c'est que le projet de Agropole, par exemple, mhm. ça c'est une bonne trouvaille. Par exemple, Agropole, euh, euh qui, par région là, euh, ce qu'ils appellent les, les, pôles régionales. Mhm. Alors, pôle yoyu, pôle Boko beaucoup, beaucoup, beaucoup, par exemple, quand tu prends le fleuve, la région du fleuve, il mhm. faut même peut faire beaucoup d'unités de pays, des usines de transformation de riz, qui sont à côté des rizières. Mm -hmm. tu peux euh, euh fidéliser, euh, euh, comme encore, fixer les, jeunes là-bas. Ils n'est dans le, dans le Quand tu vas dans le salon, dans le salon, c'est la zone agricole, c'est le bassin du bas salon. Il faut des unités, des, petits, e e de transformation des produits agricoles. Madame. Euh, gerte gi ndarkase gi euh, bisaab bi euh, mbango ji mhm. buy yi hein, et quelque chose comme ça ak tant d'autres yoo xam ne ñu nga fa maintenant ndarkase bi par exemple quand je parle de ndarkase c'est toute une chaîne de valeur mhm. chaîne de valeur mooy naan maanaam la ko tàmbalee ca ca ca ci njëmbat ba mhm. ba ca transformation produit fini bi yëpp ay phase étape industrielle phase boo ci jàpp rek mën nga fa am unité indiciaire une paie une paie par euh, euh, kii euh, plantation yi. Mhm. xam nga mën nga def comment de reboisement. de reboisement qui font des semis. Mhm. loolu mën nga ko def boo fa jógee nga ci transformation bi. Mhm. transformation c'est d'abord ya a euh, ce qui est plus connu mooy naan tëj xox yi mhm. tëj xox yi jël amande mhm. boo jógee ci amande yi euh, mën nga defar huile diwlin qui mhm. est de l'huile diététique d'ailleurs huile buy faj et soit très cher d'ailleurs bon boo fa jógee kok kok mën nga ci def mën nga am na noo koy traité mën nga ci am huile de huile li ñuy tuddee Hein, liquide. Mm-hmm. c'est-à-dire que le liquide de coque cajou mm-hmm. anglais ñoo mm-hmm. le liquide de coque cajou. liquide liquide il am na la la ci safara. mun ko récupérer. mais nit ñi dañ koy perte n'y ko mu tax. ci perte huile la sans xam bon. C'est yi et ça donc huile parce que bon. Kokwi donk bot ekstrey. Kokwi moun nou kou et souz denezile. Moun nou kou tar an kalori. Moun fou. Et so a. Donk fou deja kokwi darap pepifo. Ansyt, amandou, amandou bahi, moun eksporte kou pou l'alimentasyon. Mm-hmm. Amandou yakoye. Moun tep kou euh, prese kou, jen uvi, moun pare denar savon. Savon. Savon. Moun gen far savon avek sa osi. Euh, Amrakal osi. Euh, boo paree ci loolu avant nga yegg la pomme de cajou. Mhm. pomme bi. Mhm. soo ko bàyyee mu ñor. Mhm. pomme boobu mun nga ko presser am ci jus. fermenté ko am am liqueur am alcool. Hmm? oui loolu lépp idée da da koy def te loolu yëpp ay usine la boo ci gis rek mun nga mun nga def PME petite transformation. ok et soit alors te loolu mooy indi loolu mooy indi richesse. loolu moo indi développement. mais loolu pour samp ko est-ce que coût bi il faut. mu non les petites unités moom ay ay ay ay par exemple ay liqueur ak ak yooyu moom c'est des petites affaires. kooku d'ailleurs xëj na ci bâtiment bi sax. ok yooyu affaire yi daw nañ. pour banque mën la financer et ça donc mais yooyu suñu suñ côté ba ils sont on est en retard là-bas xamuñu ko et ça euh, man ko def xëy na am na ñu ko fa def foofu ay jaar yooyu yow mi nekk ci information xëy na. bon peut être mën nañoo am di laqatu waaye fësul ñu ko def ah. c'est ça fësul fësul boobu. <laughs> te bu fe te quelque chose qui qui euh, tu transformation su doxee rek mu dënnu parce donc on peut dire que n'est pas encore développé dans nos zones on est en retard c'est que Saloum Saloum fait aussi <laughs> les sont toujours en retard malheureusement. alors euh, M. Sar, li ñu waxtu euh, euh, ñi nga sa adresse pour setup bi aussi le lo xamné rek ko kusi si am yenn jafe-jafe wala ku du comprendre ton mom dina meuna comprendre ba ñew fini nii ngeen jàppale ko bu baax baax si seen liggéey. waaw waaw donc avant may terminer c'est pour dire que semaine passée né jaar naa Sokone day day de le privilège de visiter l'usine de sept. Hmm. manam parce que qui reprend Solenas Sète la ko tudé légui ok Sète ça à dire société d'exploitation des produits du terroir. Alors j'ai eu l'opportunité de visiter, ils sont en phase démarrage avec de, de, quelques difficultés techniques. Mm. Bon, mais j'espère et je le souhaite vraiment bonne chance pour que nous, nous relançons parce que c'est une bonne chose pour la zone. Mm-hmm. Mais comme nous le dans l'émission de d'Indiafinyakara, mm-hmm. c'est-à-dire que trois unités industrielles à Sokon, moi j'ai peur, qui font la même chose pour la matière première duñu am assez de noir. et loolu aussi vraiment xam nga loolu moo yàq Sénégal quoi c'est-à-dire que bu bu ñëpp dañu lancé loolu dans le même secteur mu saturé kenn du développé et ça donc loolu daal laa ragal euh, au niveau de ces unités de transformation à Sokone vraiment buñ ci amoon ñaar ñaari yu dëgër mhm. ah, di moo gën nga am ci ñett ñeent yoo xam ne du ñu dox tout le temps euh, c'est pas très c'est pas très économique mhm. et soit bon parce que da ngay quelques mois arrêté personne ne le chômage technique c'est pas très fameux mhm. bon l'homme, donc vraiment je le sais bon bon vent et de vraiment il vraiment yàlla pour nous mhm. alors pour revenir à cette industrie cette industrie c'est une société société là au service du développement industriel pour la protection de l'environnement et, la, sécurité au travail. C'est-à-dire le développement industriel pour la protection de l'environnement et la sécurité industrielle. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi qu'on est dans l'aspect technique, mais aussi on est dans l'aspect sécurité, Et, sécurité industrielle et protection de l'environnement. Mm-hmm. Donc, parce que ça va de pair aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne peut faire une unité industrielle sans tenir compte de la protection de l'environnement ni tenu compte de la sécurité du personnel. Pourquoi Parce que les droits humains sont très développés maintenant. Mhm. Aujourd'hui, euh, d'ailleurs, et c'est ce qui amène maintenant, l'autre maintenant, New York, c'est qu'on euh, parle de qui, euh, responsabilité sociale d'entreprise. Mm -hmm. Entreprise, nous créer les guides de dans un soxla dara wala ku bëgg monter usine wala ku am usine bu am problème C'est technique sa technologie am difficulté boo ñu alors notre contact c'est le chef 2 Azur 84 chef 2 c'est nos sièges jàkkaarloo si émission carte sur table pour des émissions de découverte à yow Sokone TV vivement TV loolu loolu am kenn mënu la ko fay kenn kenn mënu la ko fay vraiment euh, ñu ñaan kay Sokone TV dem dem ba nekk une télévision euh, boo xam ne euh, mu ngi fëpp et puis ñu mën ko capter fu nekk waaw loolu daal c'est le souhait et mais quand on parle de Sokone TV aussi bon on peut pas ne pas parler de Makhayre mm-hmm. parce que tout c'est c'est c'est c'est c'est repose sur la personne de Makhayre parce que euh, amener le dynamisme qu'il faut l'engagement et la détermination bi qu'on dit, c'est fais. initiative vraiment euh, personne ne peut te remercier quoi vraiment ça je le dis et euh, à côté de Sokon TV qui dans l'association des ressortissants bon le règle déjà ne la ci fait tout ce qu'on peut souhaiter, c'est de euh, vous souhaiter une longue vie, mm. une bonne santé et plein de courage parce que c'est pas facile. C'est pas facile, il faut du courage, mais euh, je pense que euh, tu n'en manques pas. Yeah. amina jërëgen jëf mbokk yi ñu doon bàyyi xel tey jii ni nak ñoo amoon benn émission boo xam ne dañoo jàkkaarloo woon ak eh, monsieur mbañik sar nekk eh, ingénieur industrie eh, nekk nak kilifa gi kër googu ñuy woowee setap industrie Euh, ñu yëngatu nag si lépp loo xam ne si wàllu industrie la ñu ñëw woon ak moom waxtaan ak moom si lu bëree bëri ndax Sénégal fi mu tollu dafa laaj ñi nga xam ne bëgg nañoo xam fan la ñuy teg seen i tànk waaye itam mu joyante yenn yi nga xam ne ñu ngi ko doon jàppee ne lu baax la fekk mën na am leneen lu muy soxantal si suñu dund ñu ngi koy sant di koy gërëm euh, di koy sant di koy gërëmaat bu baax a baax ndax nag euh, yombalal nañu ñu ñëw toog ak moom amul temps bi waaye nag aussi lii tey émission bi mu def ñu bëri dinañ ci jëriñu nii ñëw naa jàkkaarloog di di association euh, des ressortissants du association bi aussi Mamadou euh, ki nga sur table Y se va la cuyo, que se cuyo. Bonjour, c'est TAP Industrie SA. Dès nos débuts en 2021, nous nous sommes imposés comme une véritable référence dans notre secteur. Nous nous engageons à fournir des produits et des services de qualité afin de fidéliser nos clients. Polyvalence, polycompétence technique et rigueur au service de l'industrie pour un développement durable constituent des piliers de nos activités d'études et de prestations techniques incluant les études de projet, la maîtrise d'œuvre, la conception et les montages d'industrie, la saudronnerie, tuyauterie, soudure, le génie civil, l'adduction d'eau, la plomberie, l'assainissement, les travaux de fourmisterie et réfractaire, le décapage, sablage et peinture, les revêtements spéciaux en milieu très corrosif, la réfrigération et la ventilation. Toutes nos activités d'industriels prennent en compte le développement durable à travers un ménagement environnemental axé sur l'amélioration de la productivité et de ressources disponibles. Ainsi, notre département prestations de services intellectuels se met à la disposition des clients pour l'amélioration de la productivité des ressources disponibles et pour apporter conseils et assistance en sécurité du travail et en protection de l'environnement à travers nos services de prestations intellectuelles, diagnostic technique, assistance de mise en niveau des PME, PMI, optimisation et efficacité d'énergie, module de formation comptabilité de gestion environnementale axée sur la comptabilité des flux matières pour la réduction des déchets et à la protection de l'environnement MFCA, accompagnement PME, PMI à l'implémentation d'un système MFCA pour la réduction des déchets et pertes pour l'amélioration de la productivité et de la protection de l'environnement, études et applications techniques d'industriels, polyvalence, polycompétences techniques, rigueur au service de l'industrie pour un développement durable adresse SEPCO de Thiaroye Azur villa numéro 84 Dakar RC SN Dakar 2020 B 25 625 Ninea 00 812 71 13 téléphone 77 647 37 88 ou bien 33 821 91 47 mail contact arrobase website www.setappingindustrie.sn Fort de l'expérience et de l'expertise de ces ingénieurs et technicien Setup industry se positionne comme une référence dans le secteur de la prestation industrielle au Sénégal.